je m'appelle Maître Abdoulaye euh, je suis euh, le greffier et chargé de communication de l'Union nationale des travailleurs de la justice. Mhm. alors maître Mboup euh, tay dañu japp sen naataango bi di Ngagne Demba Touré euh, mhm. naka ngeen déggé xibar bi ak juste après arrestation bobu lan ngeen jël comme résolution. Wa mais comme niko ñep déggé déggee lañ ko et puis mu nek lo xamné bess nañu. Euh parce que dañuy fàttali ni Ngagne Demba Touré aussi Euh, ba ñu ñëwee di koy topp euh, dafa demoon exil te avant loolu aussi dañ ko affecté woon illégalement donc mu ñëwaat moment bi nga xam ne euh, le président de la république lancé na un appel au dialogue ñu gis ne aussi également beaucoup de détenus yi nga xam ne dañ leen jàppoon dans le cadre des manifestations aussi également libéré nañ leen ñu jàpp ne actuellement état Sénégal dafa nekk dans une logique d' apaisement moo tax nag bañ ko jàppee ñun loolu mu jaaxal ñu trop trop trop mu nekk benn genre acharnement boo xam ne nañ ko def sur sa personne parce que affecté nañ ko ci loo xam ne tegul benn yoon euh, Matam ñu jóge fa di ko topp mu daaw dem Mali pour exilé wu fa mu ñëw ñun bëgg ko jàpp ci benn mandat d'arrêt bu ñu lancé woon à son encontre ñun je pense que c'est trop waaw dañu jàpp nag loolu nag benn saaga la bu ñu def ci profession wu greffier yëpp te je pense que loolu tax na ñun ñëpp mobilisé wu nañ li duñu mëna mën a parce que bu fekké né bàyyi nañ jall tay ngañ dem euh metti ngañ dem Touré suba mëna na doon kenn ci ñun waaw loolu daal ñun ñu ngi mobiliser déjà l'union nationale du travail de bi ma bok euh, def nañ benn communiqué euh, def euh, demander un arrêt de travail et qui qui sera renouvelé incessamment jusqu'à ce que ngeen dem Touré recouvre la liberté inshallah bi ngeen demee ci deuxième cabinet lan ngeen def fofu ak lan ngeen waxanté ak ñi fa nek wa dem nañ euh, naturellement dem dis le juge tout ça donc euh, finalement il jël euh, interrogatoire bi renvoyer parce que nee na amul greffier parce que greffier ba fa nekk aussi nekk deuxième cabinet moom aussi et naturellement dafa ne moom assisté ci interrogatoire boo xam ne dañ koy def ci benn collègue tout en sachant que ne acharnement la contre sa personne et que mu nekk mot d'ordre boo xam ne aussi ñu ñoo ko lancé moom nee na daf koy renvoyé ba pour xool ndax euh, dina am greffier bu mu mën a bu mu mën a bu mu mën a jël interrogatoire. léegi yéen gis ngeen Ngagne Demba Touré bi ngeen duggee. waaw waaw am na benn détachement wu collègue bu demoon non seulement fekk ci ko fële dikk mais comme que il était en fait dañu lancé un mandat de contre sa personne euh, obligatoirement dafa waroon rejoindre la maison d'arrêt donc bu fa jógee ci lañ koy doog placer en fait euh, présenter au juge d'instruction du deuxième cabinet. Hmm.

waa demee nag li ñu fas yéene def la mobilisation comme nous ñu ko defee tey ñun ñëpp dañuy ñëw deuxième cabinet déjà aussi euh, dañuy arrêté lépp loo xam ne la tribunal jusqu'à une libération immédiate de notre collègue Ngagne Demba Touré. su fekkee libéré wuñ ko da ngeen di continuer mouvement d'humeur. bon absolument absolument parce que loolu ñun bokk sa loo xam ne euh, bokk na ci lu ñu nañ euh, ñuy libérer ay ñoo xamné ay lañ ñu ay politiques ñun nous trouvons inconcevable que benn collègue ñu des japp pour des positions politiques au moment où le président de la République a lancé un dialogue pour que vraiment nous dem ci échange électoral yo xamné dafay nekk échange apaisé et inclusif. est-ce que vous êtes peut-être ñu bailler ko yéen ngi tamit peut-être nous ñu ko euh, may mu rejoindre ligueyam su fekkee mu ngi ci disposition yi waaw mais greffier la en ce que je sache deful benn faute professionnelle bu war a mën a tax aussi mu mu mu mu bañ a rejoindre liggéeyam. également aussi amul benn aussi décision administrative boo xam ne aussi ngàdd nañ ko ci ndondom. abandon de poste non. bon loolu daal pour le moment du loo xam ne euh, am na benn décision administrative boo xam ne jël nañ ko en tout cas ci lu ñu lu ñu xam donc dañu jàpp ne actuellement nga ñu demee sur greffier en service au niveau du tribunal de grande instance de Matam alors on daal la ñuy demander mu bàyyi ko besoin de son poste en tant que greffier aussi également éventuellement faire fekkee dafa am activité politique comme nous ko ñep amé bépp sénégalais am ko te la constitution may que en en son article nous mu aussi librement à cette activité politique Nous ça ne nous engage pas Nous li ñu engagé moom le greffier qu'il est et que dafa am droit comme tous les citoyens aussi euh, exercer librement son métier ba pare aussi exercer exactement parallèlement cette activités politiques on leneen lo xam def Mhm. Maître Abdoulambouk, en votre qualité de chargé de la communication de l'Union des travailleurs de la justice, pouvez-vous euh, nous dire votre position officielle par rapport à l'affaire Maître de Touré, votre collègue greffier qui a été arrêté tout à l'heure après son retour d'exil dimanche dernier mais comme, nous le savons tous, hein, nous avons appris avec stupéfaction euh, l'arrestation de Maître Ngandema à la suite d'un mandat d'arrêt qui a été lancé par le euh, par le juge du deuxième cabinet d'instruction. Euh, euh, toute assistance, l'UNTJ a pris un communiqué euh, pour exhorter et demander la libération immédiate du collègue Nganjembo Touré pour être en phase avec le, message du chef de l'État pour un dialogue inclusif et pour apaiser le climat politique qui règne au Sénégal. maintenant, nous sommes mobilisés au niveau du cabinet le juge a pris la décision de renvoyer l'interrogatoire à demain, pour de parce que le collègue a suivi en fait le mot d'ordre lancé par l'Union nationale des travailleurs de la justice d'observer un arrêt immédiat de, de toute au niveau du palais de justice de Kingejoa et dans tous les dans toutes les cours de tribunaux. Alors, euh, maintenant, est-ce que vous avez des nouvelles de votre collègue Ngani Touré Dans quel état l'avez-vous trouvé euh, dans le bureau du juge du deuxième cabinet Bon, moi personnellement, je ne l'ai pas vu, mais il y a un détachement des collègues euh, de, de, de, l'amicale des du Sénégal qui est allé le voir, notamment dans les locaux de la DIC, avant son transfert à la maison de l'arrêt, comme l'exige la loi, donc pour toute personne euh, euh, victime d'un mandat d'arrêt. ils, nous, ont rapporté que le collègue était tranquille et, et tranquille. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire euh, demain, euh, euh, jour retenu pour son audition par le juge Bon, déjà, lorsque nous avons eu qu'il sera déféré devant le, juge du deuxième cabinet, tous les collègues du palais de justice se sont mobilisés. En Entre-temps, aussi, il y a une, délégation qui a vu, qui a vu le, juge du deuxième cabinet. Donc, il nous a informé devoir renvoyer l'audience, en fait, l'interrogatoire du stade faute de greffier, parce que le collègue a suivi le mot d'ordre euh, que nous avions lancé d'observation d'un arrêt de travail. Donc, il a jugé nécessaire de ne pas prendre cet interrogatoire. Donc, le juge a, a, renvoyé l'affaire jusqu'à demain euh, pour disposer d'un greffier à, à prendre l'interrogatoire. Mm. Bon, bah, nous, comme, comme, nous l'avons fait, nous sonnons aussi également la, mobilisation. Tous les collègues se mobilisent. Et puis, bon, jusqu'à une libération totale euh, du collègue euh, qui, je le rappelle, et en service au tribunal de grande de, de Et comme tout travail, c'est y à ses occupations. Mm. Nous, nous, en fait, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait des infractions euh, en fait, qu'il aurait fait. Il Donc, Non, mais pour le moment, pour, pour, déclarer quelqu'un, donc, euh, voilà, en fait, euh, coupable d'un amendement il faut une décision administrative. Mm. Et à ce jour, je pense qu'il n'y a aucune décision administrative venant du ministère de la Justice euh, déclarant le collègue euh, euh, comme, quelqu'un qui a abandonné son poste. Donc, pour le moment, on n'a pas eu en fait une information par rapport à cela. Donc, en dehors de sa libération, vous exigez aussi qu'on lui permette de prendre fonction au niveau du, tribunal de Matam où il a été affecté. Mais effectivement, en dehors des poursuites judiciaires, encore, il n'y a aucune décision administrative qui ne lui permette pas euh, de rejoindre son, son, son poste euh, et corps agrégé au niveau du tribunal de grande de, de, de Matam. Merci. à ce niveau, il n'y a pas de problème. D'accord.